nemmeeku seen dund ak seen taxawaay ci ngëm gi ci jàngu bi ak ci réew mi loolu moo waral JMJ nemmeeku seen tolluwaay ci ngëm gi ci réew mi ci àdduna si ci jàngu bi te pap bi bind leen reen ab bataxel ne ku nekk ci yéen mooy thème bi bul ragal bul tiit ni ñu ko bindee ci t-shirt yi bul ragal ndege yàlla ngi ci sa wet ngëm gi di la may kattan Krista di la aar moom mi di dund dund gi ak leer gi kon nag bul ragal bul ruus bul yoxi jógal taxaw te jëm kanam ngir tekki ngir tabax sa réew ngir tontu yàlla mi lay oo ni ñu ko déggee ci téere bi nga doon surgam tontu yàlla tontu yàlla mooy li ñu tudd ci français vocation vocation te mën na feeñ ci pexe ak ci jeetaay yu bare li am maanaam mooy nga xam ne fépp fi nga taxaw lépp li nga jàpp na doon ngir neex yàlla ak njariñu nit ñi boo ko defee yaa ngi topp sa vocation neex yàlla ak njariñu nit ñi noonu rekk nga mënee yéeg mbégte ak bànneex vocation nag laajte na lu bare laajte na surtout ñu ràññee ràññee bu baax xalaat bu baax te ñaan bi ci xalaat boobu ñaan bi am ci solo lool kon nangeen ñaan yàlla mu leeral leen yoon bi ngeen war a aw seen vocation ndege dañoo jàpp ne yàlla mooy joxoñ ku nekk yoon wi mu war a aw nga sëy nga ñàkk sey nga nekk labbe mbaa soor mba frère na doon lii yàlla tëral li mu la bëggal nga ànd ci te mu doon ndamam ak njëriñu nit ñi loolu mooy vocation maa ngi ñaan ñaanal ku nekk ci yéen ndax balaa ngeen jóge fii yàlla leeral ku nekk ci yéen rawatina Ni de que vocation n'aie pas peur cher jeune n'aie pas peur de t'arrêter et de réfléchir sur le sens que tu veux donner à ta vie n'aie pas peur d'affronter les problèmes et ne te dérobe pas devant les épreuves de la vie n'aie pas peur nous avons porté des t-shirts. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te poser la question incontournable. Comment réussir ma vie Cette réussite réside dans le service. Le service d'abord de la gloire de Dieu. Le service de l'Église et le service des hommes le service de la société, de notre pays, de notre terre. La vocation est service. C'est ainsi que le pape vous appelle au discernement, un mot très important, discernement, qui se fait dans la réflexion, dans la prière et dans le conseil. Je l'ai dit hier soir dans le conseil recueilli auprès de ceux et de celles que Dieu met sur notre chemin, sur le chemin de notre vie, ceux et celles que nous rencontrons chaque jour. Dans l'évangile de ce dimanche, il s'agit aussi de rencontres. Les Grecs dont il s'agit voulaient voir Jésus, c'est-à-dire le rencontrer, pour en arriver à un discernement clair sur la personne de Jésus. Est-il vraiment celui en qui il faut croire L'évangile nous dit, ne pouvant pas directement accéder à Jésus, il passe par ses apôtres Philippe et André. Il y a un enseignement à tirer. Chers jeunes, Soyez comme ces apôtres, André et Philippe, des passeurs du Christ, des jeunes qui conduisent à Jésus. Soyez des jeunes qui conduisent à Jésus, tous ceux et celles qui le cherchent. C'est la mission de l'Église de tous les temps, de faciliter à chaque homme, à chaque femme, le chemin qui conduit à Jésus. Mais, mais, comment pouvons-nous le faire si nous ne connaissons pas suffisamment le Christ Si nous n'avons pas développé une véritable amitié avec lui dans la prière et dans l'écoute de sa parole Comment conduire à Jésus si nous ne profitons pas suffisamment des moments et des opportunités qui nous sont proposés pour approfondir notre foi conduire à Jésus. Si nous laissons tomber facilement la messe du dimanche pour un oui ou pour un non, comment conduire à Jésus si nous croyons, comme je l'ai dit hier soir, si nous croyons que consacrer une après-midi au mouvement d'action catholique, ou une heure de catéchèse, ou une heure de chorale, est une perte de temps. Là aussi, chers amis, il y a un discernement à faire pour savoir ce qui est le plus important pour réussir ma vie. J'espère que chacun et chacune y arrivera au cours des jours qui suivent les JMJ. Discerner le plus important de ma vie pour réussir, pour réussir ma vie. Les apôtres permettent grec de voir Jésus. Laisser voir Jésus passe aussi et surtout par la façon dont je vis. Il faut que l'on voit Jésus à travers ma façon de vivre. Si nous voulons que les autres connaissent Jésus et son message, si nous voulons qu'ils nous prennent au sérieux, et respecte ce que nous sommes, celui en qui nous croyons, alors il faut convaincre et même attirer par notre façon de vivre. Il faut être cohérent. Il ne faut pas seulement croire en Jésus par la parole ou être son disciple par la résonance de notre prénom. Pierre, Marie, non, Doyoul il faut plus ngëm gi du rek. chrétien rekk du yere du t-shirt bi may sol tey parce que j'aime la après ma fàtte ko ngëm du dundin la ak jikko dundin ak jikko moo tax tudd chrétien il faut donc veiller sur notre comportement de jeunes chrétiens. Il faut veiller. Il faut éviter le contre-témoignage par des attitudes indignes de jeunes chrétiens. Il faut se distinguer dans la vertu et dans le bien et non dans le mal et le vice. Attention, chers jeunes. L'iram attention à l'alcool et à la drogue attention il y a beaucoup de victimes attention au laxisme dans nos mœurs attention à la paresse Attention à la paresse. Attention aussi à l'argent facile qui peut priver de la dignité et de la liberté. Veillons sur notre mentalité, sur la qualité de notre vie. Soyons exemplaires par nos comportements et dans nos paroles. Nañu fonk jiko chrétienne tilimal turu chrétien jeune chrétien n'aie pas peur d'être modèle d'être exemplaire d'être modèle et de modeler ta vie sur le Christ suivre le Christ suivre le Christ avec toutes ces interpellations, il y a certainement des résolutions à prendre aujourd'hui même ou à partir de JMJ. Osons les prendre, s'il vous plaît. Dans sa réponse au grec, Jésus révèle sa véritable identité. En résumé, qui passe par la croix. Il annonce déjà la façon dont il va mourir. Comme le maire l'a dit, attaché à la croix. Il annonce qu'il est le sauveur qui sera cloué sur la croix pour attirer à lui tous les hommes et pas seulement ceux et celles qui croient en lui. Sa glorification, nous l'avons entendu dans l'évangile, ou bien la gloire de sa résurrection passe par l'heure de la mort sur la croix pour nous obtenir la vie éternelle. Voilà, chers amis,

Demandons au Seigneur de nous renouveler dans notre fidélité, comme il nous y appelle dans l'évangile de ce dimanche. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est pour dire qu'il n'y a pas lieu de se décourager. N'aie pas peur il n'y a pas lieu de se décourager, de baisser les bras, de désespérer pour toi qui suis Jésus, pour toi qui es son disciple. Avec le Christ qui a vaincu la mort, tu peux, je peux relever tous les défis de ma vie et traverser toutes les épreuves de la vie. Chers jeunes, en êtes-vous convaincus Avec le Christ, je peux traverser victorieusement les difficultés et les épreuves de ma vie. En êtes-vous convaincu Moi, je le suis. Oui, n'aie pas peur comme te le dit le pape car tu as trouvé grâce auprès de Dieu c'est-à-dire Dieu t'aime sa grâce son aide sont toujours là pour te soutenir surtout dans les moments d'épreuve et d'obscurité. Alors ensemble, chers jeunes, chantons notre confiance au Seigneur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi